dama la bëgg laaj question boo xam ne dañ koy évacuer mu jeex. ñu dem ci leneen. acca ah, boobu mooy Sadio Mané lu tax ni muy doxee en club du ko doxee en équipe nationale. bonne question Mame Fatou <laughs> bonne question j'ai souvent entendu ces pas que vous mais j'ai souvent entendu ces remarques remarques euh, avaient les journalistes à la télévision. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent, appeler par là moyen brillant en équipe nationale. Euh, bon, nous sommes dans un groupe homogène. Je mhm. suis quelqu'un qui, qui n'essaye pas de tirer que mhm. la couverture sur, son côté. Mhm. En tout cas, personnellement, j'essaie de, faire mon maximum, mon pote. Honnêtement, mm-hmm. honnêtement j'essaie de, faire mon maximum tout le temps. Je suis quelqu'un qui ne triche jamais. Mm-hmm. Une fois en sélection, je suis comme un club. Mm-hmm. Je donne tous les moyens possibles pour être performant en équipe nationale. Après, comme je l'ai dit, moi, ce que je pense, c'est de marquer ou faire marquer. Bon, c'est le football. On sait comment ça se passe à un moment donné. Ça peut marcher ou pas. Tout à fait. Mais euh, c'est pourquoi euh, je pense que même si les joueurs, tu les demandes, ils ne peuvent pas te répondre parce mmh. qu'ils mm-hmm. me connaissent bien. Donc, euh. Mm-hmm. Mais, mais Sadio, il faut que je le baille parce que... mais euh, xamoo sax lu tax nit ñi di poser une question bob Ouais. j'ai juste envie de dire Sénégal. ce mm-hmm. Sadio Mané fait performance Liverpool ñëpp a il xam. ñëpp pour qu'il relayer. Mm. Sadio Mané beaucoup de jeune de club tegee ci banc bi sénégalais

Sicilien, donc mm -hmm. je pense que même mais que l'or même de Lucéria là. Man tay ji xawma naka laa koy waxee sax mais en fait maa ngi def lépp li ma mën pour Sénégal gagné tey ji su ma dugalee wala ma joxee passe décisive de si man lay gën a ñëw njëkk a ñëw plutôt parce du sénégal yi sax d'abord mais sama famille déjà sama yaay sama ñëpp bi moo mm. oh macha allah dañ si fier mm. man su ma sanoon sax c'est fort quoi en fait mm-hmm. fa su ma sanoon sax chaque match dama ñëw Sénégal dugal Sénégal gagné dem tey mm. jii xam naa ne lu fort la mais boo man je sais que mën na bañ ñàkk sa wax mais tey jii chaque Champions League bi boo boo ma ko tegee nga teg coupe d'Afrique coupe d'Afrique laa jël Comme sous suba journaliste dañ koy <laughs> interpréter Liverpool ray moom am problème mm-hmm. Mm-hmm. mais honnêtement honnêtement en fait Sénégal mu jar na ma lu ne mm-hmm.